des programmes du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed en ma compagnie Rekia Arimi. Côté technique, nous avons Mustapha Ayouba et à l'édition, il y a Adam Adawaki et Rahila Toussoumana. Bonjour Rekia, comment tu vas ce matin La journée s'annonce bien, Habiba. Tant mieux alors pour savourer notre programme. Nous allons débuter par les flèches d'information suivies de la rubrique hebdomadaire qui est consacrée aux questions environnementales. Et après interviendront d'autres rubriques quotidiennes qui ne sont plus à présenter. Les lotis, les reportages région, les portraits et bien sûr la culture linguistique. Sans oublier la musique nigérienne qui, vous le savez, fait la beauté de cette émission. Et oui, mais ce n'est pas tout. Il y a également l'entretien du jour et ce sera avec Amina Hassan, responsable du SCOFI, scolarisation de la jeune fille. Avec elle, nous ferons la situation de la scolarisation des filles dans le département de Konni. Installez-vous confortablement pour découvrir ces menus. Top, c'est parti. Studio Bonjour à tous. Tout de suite, les flèches d'information avec Rafika Taher, ou plutôt Mokhtar, Mamoudou. Désolé. <laughs> Bonjour Mokhtar. Bonjour Habiba Ahmed. Bonjour Rakia Arimi. Au moins 40 civils ont été tués dans une attaque djihadiste massive contre une base militaire euh, dimanche à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi 28 novembre l'Organisation des Nations Unies ONU. Au moins 400 assaillants ont été neutralisés dans la contre-offensive des forces armées burkinabées euh, suite à cette attaque de grande envergure. Selon les sources sécuritaires, l'attaque a été menée par une colonne de près de 3000 terroristes et a particulièrement visé le camp militaire où l'assaut a été contenu puis repoussé par les soldats du 14e régiment interarmes. Quelques euh, soldats ont également été tués, avait-elle indiqué, sans en donner le nombre et sans évoquer des victimes civiles la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine au Niger et euh, au, Tchad a été lancée en début de la semaine à Liwa, localité tchadienne frontalière du Niger, par le ministre nigérien de l'Agriculture et de l'Élevage, colonel Mohamed El Haj Ousmane et son homologue tchadien professeur Abdrahim Atap Ataïba. Cette euh, campagne répond à une directive de l'Organisation mondiale de la santé animale euh, qui a préconisé la mise en place d'une stratégie mondiale pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants d'ici 2030 à laquelle les deux pays ont adhéré. Au Niger, la, vaccination sera gratuite avec euh, pour cible au moins 80% des effectifs éligibles animaux âgés d'un an à plus, a précisé le ministre nigérien. Un nouveau site de stockage de l'uranium sera construit à Arlit. Une réunion pour l'étude de l'impact environnemental et social a eu lieu et a dégagé les perspectives. Par ailleurs, ce site pourrait générer un impact positif, c'est-à-dire les ressources financières à travers les commerces. Un rapport sera transmis au ministre en charge de l'environnement pour vérification si tout se déroule dans les règles selon Jamilou Ibrahim de la Société des mines de l'Aïr Somaïra. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 29 novembre 2023. Merci, Merci Mortar, pour ces informations. Nous l'annoncions tantôt, notre entretien du jour porte de la scolarisation de la jeune fille dans le département de Kony. C'est avec Madame Amina Hassan, point focal départemental Konni et responsable de la scolarisation de la jeune fille Iskofi. Mais on écoute d'abord Ismoan avec le titre Sonki, sorti sur YouTube en janvier 2017. Si seulement tu sais à quel point je tiens à toi, tu n'allais jamais en aucun cas t'éloigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et t'es doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire. qui moan de son vrai nom Ismaël Diallo est la nouvelle voix de l'afro-pop. Né et grandi au Niger, il poursuit maintenant sa carrière musicale aux États-Unis où il enregistre ses produits dans, divers lieux. Il chante en trois langues nigériennes, mais aussi en français et en anglais. My girl. wanna be with you. Love you so. Call me anytime. Oh, be my girl. Ah. Oh na na na. Yeah. Oh, oh oh oh oh oh oh. Ah. Love you so. Retro Studio pour la première partie de notre entretien. Notre invitée est Madame Amina Hassan, point focal départemental Konni et responsable de la scolarisation de la jeune fille. Oui, dans cette première partie, elle nous parle des avancées significatives enregistrées par rapport à l'éducation de la jeune fille du département. Écoutons. To Amina yane harakan karatun diya mace cikin departamentin departamentin karatun ɗaya mace ka yi an samu ci gaba sosai dan da an kita cikin lakuloli ba ki gani ɗaya mata da yawa amma yanzu wasu uwaye kanun sun waye sun gane mahimmancin karatun ɗaya mace yanzu a maya da 'yan mata sosai cikin makarantun nan kwanne matsala dai guda ce can ne cikin ƙauye nan ne muke da ɗan sauran waye kai ya eh, amma nan cikin birni ka alhamdulillah sai ki dai akwai lakulkin da zaki iska ma ɗaya mata sun yi maza yawa kuma suna karatu sosai saboda sun gane mahimmancin karatu ɗaya mace sun san amfanin shi kansu ɗiya matan yanzu kansu ya waye sun kaga an kana da ilimi sun yi gane ma ma zaman rayuwa armi bisa baka da ilimi tunda an ka da ilimin ka kai karatu mai tsawo har kai da ka samu aikin da ka kama amfani mai yawa za ka yi na farko dai ka amfani ƙasar ka na biyu ka amfani iyalinka gidanka kenan na uku ka taimaka ma uwayenka ka taimaka ma addini kun gani kenan shi yasa matan mayan sun gane ku taimaka ma jikinka da yaranka tunda ka shiga cikin gida inda ɗaya mace ta yi karatu da wadda ba ta yi ba ba ma ɗaya ba ne tana gane wadda ta yi karatu ɗiyanta ma sun bambanta da wacce da ba ta yi karatu ba wurin ba su tarbiyya wurin kula da lahiyarsu wurin kula da ilimin su to yanzu ya ne prevalence kin take bisa shekarar ga da wa'ancan shekarun da suka wuce ko bara akwai ci gaba ko babu ci gaba akwai ci gaba sosai ta karuwa ne harkokin suke ta yi suna yi gaba saboda uwayen ɗaya ta waye musu kanu kalam tun bai gane ba dai har ya gano kun ba a gane akwai ci gaba ne sai an zo cikin lakulolin ma an ga ɗaya matan sannan sai a gane lalle akwai ci gaba akwai shi sosai mun same shi kuma miya na miya ta ci gaba da waye kai dan dai abun ya ta karuwa ba dai a komo baya ba insha Allah gaba ne za mu ta yi inda ma ba a sawa ana ta waye mu uwaye kai su gane karatun nan ya mace an ka samu shi ya haima wata rana namiji dan mace ta taimaka mu gida bisa namiji namiji an ya samu daga matan shi sai ɗiyan shi kamar yanzu an diba shekarar bara dan ba mu ƙara shi firkin ba tun sai an gama transfer da ake ta yi a rive de par sai mu ƙididdige gabara dai abin da gare mu effective kin total na didan miya da dubu saba'in da hudu da ɗari biyu da sittin na kowa namiji eh, dubu arba'in da uku da ɗari da sittin da biyar mace dubu talatin da ɗai da tamanin da goma sha biyar na bara kenan miya da karanta yan virgil kato da na mata ga bara da yanzu bana ba mu yi da kididdigewa ba mu ci a ƙara harkar transfer kin na daidaice amma bana muna ganin sai mun kai kashi hamsin ko mu dan huce masu kaɗan bisa hamsin kin nan muka muke ganin ɗaya mata ya ta kawo mana da su cikin lakololi insha Allah sai mu huce kashi hamsin bana a sami kenan maza da mata su zan daidai daidai ko kuma son muka yi ma mu samu mata su yi maza saboda an ka diba cikin daga mu ta ƙasar Nijar mata mu yi maza yawa kenan ya kamata ko cikin lakuloli mu samu wannan wani irin aiki da kuka yi da kuka samu wanga tokin muna sensibilisation muna shiga dazuzzuka muna waye ma uwayen ɗaya da ma matan da duka 'yan lakwal kai bisa mahimmancin lakwal musamman lakwal ɗin ɗaya mace muna ta basu unhwanin shi muna ta basu kuma matsalar shi ɗaya mace an bata yi lakwal ba ga matsalar shi to kenan shi na uwayen su ta ganewa su ma ɗayan matan su ta ganewa ko uwaye sun ce su hidda su sai su kiya da akwai ma ɗaya mata da za su zakwa su kawo mana eh, ƙara uwaye su ce su a san lakwal ɗinsu amma uwaye za su hana su sai mu zabara da gingin wuri mu taimaka ga uwayen mu waye musu kai wannan abin ku sai a wasa shi a bar yarinya ta ci gaba da karatunta. To su wane ne suke shiga dazuzzuka ku da kanku ko kuna da wadansu ajan da su da kuke aiki? Mu da kanmu muke shiga cikin dazuzzuka. tare da director an za a tahiya wajen de contact ko mise muna biya su muna profite muna waye mutane kai kuma wata rana da a samu projet shi a tallafa muna ga payek to yanzu projet ya mutu suna zawa mutu tare da su mai sensibilisation da yanzu kenan sai dai ina profite da ita su director ko lai conseiller an za su tahiya visit de class sai mu bi su mutum muna waye mu wayan ɗaya kai misali kwal ɗin ɗaya mata menene amfanin da yarinya za ta samu in ta yi ekwalkinta tun farawa har karshe amfani da yarinya za ta samu yana da yawa na ɗaya dai kula da tarbiyyar eh, ɗiyanta na biyu kama mu mai gida cikin gida na uku ta taimaka mu uwayenta ta taimaka mu ƙasa kin kun wannan duk amfani ne duk wanga taimakon za ta yi inda ba ta yi lakwal kin ba ta kai ƙarshen shi ai ba za ta iya yi ba kuma wadda ta yi lakwal wajen ɗiyanta ma ana gane lalle wasu ta yi lakwal tunda wajen koya musu karatu ma ba sai ta bi wani ba ita za ta koya musu da kanta shi yasa kenan karatun nan ɗiya mace shi da amfani sosai me ta waye musu kai dai su ci gaba da yin shi kuma kun ya mace an ta yi karatu mai tsawo kenan dole ba ta kula da miji sai yayi mata ba kakin miji shi kawo ta yi kakin shi bada ta bada ba sai ta yi jirayi miji ya bata ba ba sai ta azami yan uwa lalura ba ku bani ku bani amma ita za ta yi makanta kuma hatta ba wani Chers auditeurs, nous allons maintenant écouter le groupe Onens Kangalala qui fait son grand retour avec le titre Lago et Zoo, sorti en février dernier. C'est honnête. So est <laughs> Lago pour over, Orlando. Roxy Fredozo. So boss music. An inclin dehors. T'as de la valide Lago. Un inkling de, on veut Lago. Est-ce qu'on est prêt pour elle, nous? le prepo e la no Kade la valide la goezo La goezo pour l'anneau Belle Belle est calée dans la démarche Aucun sympathique quand elle marche Le modèle est top, faut tes visages Qu'elle de la soif, faut tes images Tous ces caprices, moi j'ai bricage De gains pour la go, on dirait passe Deux cartages, moi je m'y Au fond, fond, sans aucun gage Ça sent le love Maxime, toi, baby Mais mes délires ne vont pas jusqu'à la gare Anwar Abdoulaye. Sans le vouloir, je deviens la star. Je deviens la star. Quand bien même je sais que je suis fan de toi. Magali Wara. Mais il me suffit de voir une autre. En un on veut la gauche. Est-ce qu'on est prêt pour elle à nous? T'as déjà validé la gauche. sexy, Les membres du groupe expliquent leur silence pour des raisons personnelles. Et là, ils sont de retour plus forts que jamais. Dans ces nouveaux titres Lago et Zo, les deux chanteurs sont sortis de leur zone de confort et nous viennent avec un nouveau style. Sans le vouloir, je deviens la Quand bien même je sais que je suis fan de toi. Mais il me suffit de voir une autre. un on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour Elano? A de la validé la goézo. Est-ce que t'es prêt pour elle no? En un on veut la go. Est-ce qu'on est prêt pour elle à T'as déjà validé la Goezo. La goézo pour l'anneau. La goézo pour La goézo pour Elle est canon no one. Dans sa démarche, elle est calée. Regard revolver, spin no one. J'ai envie de claquer mon salaire, mais pas chez le maire. Simiron, quand il est question de passer voir les beaux-parents. Oh, pour la deuxième partie de notre entretien avec Amina Hassan cette fois-ci. Euh, elle évoque le défi qui, qui reste à, relever pour de bons indicateurs. don ya mace an tana aiki tuwahi dai sutura yi ma ne za ta yi abinci kai ma uwayenta ne za ta yi da ta samu ta sai ta kai musu to babban amfani ne kenan gare su to ya ne yara na daji ya ne harkan karatun su yake suna samun mutanen da za su zamna wajen sun suka zuwa nan karatun cikin dazuzzukan nan ne muke da matsala babba na me an matsalar daji na daidai tun shiga sai e, uwaye ba su kai ɗiya mata da yawa cikin gida guda akwai yara goma namiji bakwai ko a ce mace bakwai namiji biyu to sai ga mazan na ɗaya za a kai ba a wuce a sa mace biyu tare da su sai a aje saura gida wani ɗaya da tun fenan tun bas bas sa ɗaya mata lakwal na biyu kuma sannan sai ga ɗaya mace ko an sa ta lakwal tun tana karama sai a yi mata kame shi a cewa mariya shi fure nan shi suka daji yariya tun tana karama a amshi kuɗinta kun na ɗaya sannan ba ta kai wata rana ko sai md ba ta kai sai a wanke ta kenan kun gani nan shi ma akwai matsala babba gare ta wasu an ma sun samu antare an season kin nan daji na an ba sai eje su kawo su nan birni ba su kawo ba sai su ce matsala wurin aji ya gare su to shi na muke waye musu kai mu ce da su bar diya mata su yi lakwal kawai can su taho birni sai su ce ba su da amma shi yanzu an kai musu etablissement cikin dajin su ko ne primaire kin shi akwai college kin shi kusa gare shi kenan ba sai kayan matsala mai rike maka da primar ka da college ɗanka da ya samu ga in zai tahiya kenan ba su da matsalar wannan kawai dai ba su tallafa ma ɗaya na su yi karatu sai su ya musu armin gaugawa shi nan na matsalar ƙauye to amma wasu sun fara ganiya amma har yanzu dai wasu da matsala a sensibilisation da shi kuma su tsoron authority hakan ga sarki sirtu sarki to in abu ya samu hakan ga yarinya za a yi mata armen na gaugawa mun ka jiya shi sa muka ce ma directorori su zan faɗa mana a tan da yan kojes kenan mun ce su zan faɗa mana tun ba a yi armen ba kenan sai mu taimaka uwayen a yi musu sensibilisation mutum an ya ta taurin kai wani sai a birni da shi da kuma shi mutane ma sun gane yanzu sun rage shi ba a an bari kan gaskiya sun rage dai yanzu ana bari yarinya ta lakwalkin ta hatta kai turaziyam ma suna bari to wasu kuma da sun ka gane ma ko turaziyam kin kai ka samu bpsn ka suna barin ka ka taho kai lise nan banni to in suka zo lise nan kunni suna samun wurin sabaka babu matsala ko suna da wannan difficulty a'a to ba matsala tun da yanzu an zan kamar guda duwar an kai wanda a cikin daji biyar sa wanda ya sani cikin birni sai suna kawo ɗiyan tun da farin wasu suke yi an garin su da birnin ba nisa sai a ci yaro an yi sabka da mare koma gida to da muka ji wannan labari muka je muka ce musu wannan ba shi muka ce bisa hanyoyi akwai insecurity ka tura ɗaya ka ɗaya mace ta ɗaya ta koma shi an wani ta ta cikin hanya kenan kun ganin babu daɗi tun da duniya ta lalace muka ce musu su bari haka nan su zan bari yarinya ta yi zaman ta dilandi o samedi an su san ganin tare lahadi da babu komi ta ta yi tun da su gano ta komo zuwa karatunta to shi ma wannan muna nan hada bisa gare shi wannan na fitar suke yi to yanzu sun rage shi ma to yanzu wani masaloli kuke fuskanta yanzu matsalolin mu dai bisa a san sadiya mata lakwal tun sai i shi ne muke na ta waye musu kai tun sai i a san sadiya mata da yawa a bar sa kaɗan kina akwai ɗiya mata da yawa cikin gida ba a ce a sa wasu a bar su kuma yasa suke hana ɗiya matan wai sana'a su kai musu beti commerce shi ke sa ɗiya mata sai ka ce an kasa ta lakwal wazi bi ɗoma kuɗi Mun shi nan ba sana'a za ku sa ba ku bar su yi karatun su an sun ka samu na abin da za ku ci nan zai hitowa cikin karatun nan nasu beti commerce nan da armin na gaugawa da kuma rashin karatun uwayen ma shi ma kin nan shi ma shi yasa uwayen tunda ba kai karatu kan ka bai waye ba shi yasa kenan baka abu sai ka hana mu ka ta yi amma inda mutum ya yi karatu ma ahi kai ne ya waye ba sai hana mu shi ta yi ba yana suna muke namaya ta hawa bisa gare su da kuma aikin gida shi ma yarinya ta yi alakwal ka ci kakin ta yi alakwal sai ta yi ma ɗokar ruwa sai ta yi masurwa sannan ta tahi kun sai ta yi retar shi ma dumun waye musu kai da Allah ta rage musu wannan aiki na gidan nan shirshashi da travel domestic kinna ko kuma da ta komo an bar madaka ko an bar mata ɗaukar ruwa ko an bar mata zuwa itace ta bar samu dama karatu ba kenan mun ci da Allah su an yarinya ta ya karatu su sauka mata wannan aiki har a bada kunshi ta kama musu ko kuma an ta sauko da marece ta kama musu kakin lokacin karatu shi miya ta waye musu kai su kula da karatun su Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rekia, parlons à présent environnement et direction connue. Et eh oui, Habiba, les espèces pastoraux dans le département de Koni, région Tawa, sont menacées par une plante appelée le sida cordifolia. C'est une espèce envahissante qui n'est pas appétée par les animaux et qui empêche à d'autres plantes de se développer. C'est devenu un problème environnemental et pastoral dans la zone. Des actions sont menées pour lutter contre son développement, explique commandant Abdou Eforad, et Fared, le directeur départemental de l'environnement de Kony. Il est micro de Habiba Hamid. Le sida cordifola est une plante envahissante qui colonise les espaces pastoraux. C'est-à-dire que c'est une plante qui se développe à grande vitesse. Et maintenant, c'est une plante qui n'est pas appétée. C'est-à-dire que les animaux ne broutent pas. Vous allez voir, maintenant, si on a un hectare, l'année prochaine, vous allez trouver plus 2 hectares, 3 hectares. Et maintenant, quand ça se développe, les espaces sur lesquelles elle se développe, aucune euh, plante ne peut résister. Du coup, ça crée des problèmes. Dans la mesure où les, terres pastorales qu'on a ici, c'est-à-dire que ici nous sommes dans une zone agricole et que nous avons euh, quelques enclaves pastorales dans lesquelles, pendant la saison des pluies, les éleveurs euh, font paître leurs animaux ou bien s'installent. Et maintenant, si cette plante colonise cet espace-là, ça veut dire que les éleveurs les animaux des éleveurs n'auront pas des herbes pour le pâturage. Et du coup, maintenant, les éleveurs vont avoir tendance à aller dans les champs avant même la libération des champs, ce qui amène le conflit agriculteur-éleveur. Parce que non seulement les espaces réservés à ces pasteurs-là sont colonisés ou bien envahis par cette plante-là, donc euh, c'est un peu difficile pour eux. Et d'habitude, les éleveurs descendent du nord euh, le nord, parfois, quand il n'y a, pas d'eau, voyez, ils vont descendre. Maintenant, s'ils vont descendre, ici, euh, les espaces pastoraux réservés pour eux, s'ils sont colonisés, donc c'est pas facile. Donc là, c'est pourquoi parfois vous allez trouver des conflits agriculteurs et éleveurs par rapport à ça. Donc du coup, c'est la dégradation, euh, au-delà même de cette espèce qui est le du foulet c'est la dégradation même de ces espaces pastoraux-là qui crée le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Ici, à Kwani, et pratiquement partout dans la zone agricole. Parce que dans la, zone agro zone agricole, vous voyez, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que des enclaves pastorales. Ce n'est pas comme au nord, là où vous allez trouver ces grandes étendues, là où les pasteurs peuvent euh, laisser paître leurs animaux. Qu'est-ce qui accentue son développement Bon, ce qui accentue le développement de cette plante-là, c'est d'abord la dégradation des espaces. Parce que maintenant, quand le sol n'est pas riche, il est dégradé. C'est celles, ces plantes envahissantes-là qui peuvent se développer. Et maintenant, il y a le vent qui peut apporter ça. Il y a les oiseaux qui peuvent apporter ça. Donc voilà ce qui accentue son développement. Ou bien les animaux, peut-être quand ils partent euh, ramener ça, et c'est des graines, quand ça vient, ça, se développe. C'est une plante euh, qui cause euh, un problème de santé aux animaux ou bien c'est comment Bon, en réalité, d'habitude, les animaux ne pètent même pas cette plante. Ils ne la consomment même pas. Hein. Donc, si les animaux ne la consomment pas, ça veut dire qu'on ne peut pas dire que voilà ce qu'elle cause aux animaux. Mais nous, euh, elle est une préoccupation environnementale majeure dans la mesure où elle dégrade nos espaces ici au niveau du Kony. J'ai déjà dit que ça dégrade les, terres pastorales et je vous ai parlé des conséquences plus Voilà, donc c'est un peu ça. Comment lutter contre cette plante Lutter contre cette plante, n'est pas chose facile parce qu'il faut au moins trois opérations. Et la première opération pendant la saison sèche, il faut passer par euh, l'arrachage et même le brûlage. Et parfois maintenant, on utilise cette plante-là pour faire du compost. Et après ça, parce que déjà quand la plante est sec, déjà les, les semences sont dans le sol. Donc forcément, pendant la saison de pluie, elle va régénérer. Et maintenant, la deuxième opération, c'est d'attendre jusqu'à pendant la saison de pluie quand elle commence à pousser. Là, on va cultiver. Je vous ai parlé de la première opération donc, comme je l'ai dit, la deuxième opération, c'est pendant la saison des pluies, car la plante a commencé à pousser. Là, on laboure. Si on laboure, là, on amène des semences. Des semences, des herbacées, qui sont utiles pour les animaux, que les animaux pètent, quoi. Donc, maintenant, euh, après ça, c'est pas encore fini. Parce qu'on peut labourer encore, ça vient. Là, euh, si on cultive après, on va manuellement. Donc, ça, c'est le troisième passage. Les trois passages, ici nous, nous laborons on doit mettre des semences qui sont appétées par des animaux. Donc voilà les trois. Et aussi la mise en valeur, la mise en valeur de cette plante envahissante, c'est-à-dire que sa transformation en compost. Donc, euh, d'habitude, quand il y a des activités comme ça, on forme les paysans en technique de compostage. Et là, vous voyez, on met en valeur cette plante envahissante. Donc, voilà les, trois actions. Et maintenant, après ça, normalement, si on en s'émence, là, il va falloir mettre le site en défense. C'est-à-dire que prendre un gardien, empêcher l'accès à ce site-là aux animaux pendant un temps, jusqu'à ce que cette enclave pastorale dans laquelle on a travaillé soit restaurée durant 3 à 4 ans. Là, vous allez voir euh, que euh, la plante va vraiment disparaître et elle va faire place à d'autres espèces que nos animaux ont besoin pour leur euh, pâturage. Chers auditeurs, partons en musique avec Dongo de Saad Bouri. Sadibori, plus connu sous le nom d'artiste Sadou, Sadou Abdou, plutôt plus connu sous le nom de Sadou était chanteur, compositeur et batteur. Il a débuté sa carrière musicale dans l'orchestre Goruba de Maradi avant de rejoindre le mythique orchestre Carnaval de Maradi dirigé par son oncle Fé Hassan Garba, une autre figure emblématique de la musique moderne nigérienne. Avec l'orchestre Carnaval, il eut connu la gloire et porta haut le flambeau d'une musique nigérienne, toujours en quête de son chemin. Saad Bouri avait beaucoup de fans au Niger et dans la sous-région, mais surtout au Nigeria où il était régulièrement invité pour animer des concerts. Il nous a quittés en 2008 au Nigeria dans un tragique accident de circulation. Chico l'écho des on va faire un tour à Zender pour parler de l'association des jeunes filles pour le renforcement et l'émergence Talafi Matassa qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles et garçons de la ville. Et c'est à travers des formations et des sensibilisations. C'est ainsi qu'elle contribue à la vie associative et lutte également contre les violences et la consommation de stupéfiants. Notre correspondant des Ender, Ali Keta, s'est entretenu avec Ilia Armani Issa, président de la dite association. to manufanmu guda ɗaya ce kamar yadda mu aka ce wannan kungiya ce ta tallafa matasa muna da guri guda wanda yau ba mu zo mu ga an ce matashi an waye gari fashi da aikin yi ko yana tangari yana yawo a kan titi yana hanya irin wannan ta ɗan shaye-shaye kenan shine muke so mu dawo da su kan hanya da su gane aiki shi ke mutum in ka ware aikin ma baka iya ba za mu janyo ka jikin mu sa ka hanyar da zaka koyi wani aikin da wani zai iya taimaka ma musamman aka ɗauki kote na mata wasu yanzu su ne suka mahi yawa a cikin al'umma to wannan mata kuwa musu irin wannan ɗan gunta aiki wanda suna zama a cikin gida ma suna iya yin shi ba sai sun tashi sun huta waje ba suna talla suna yawan talla su je su yi abin da bai kamata wannan kungiyar tamu akwai matasa da yawa ma sosai surtu ma matan tunda mu sibilin mu kamar su ne su da muke gani suke da rauni cikin al'umma eh, kuma su ma maza nan gaba da yawa akwai irin farmason inda zan yi ringayi da su me amma in zan muna samun kamar mace goma sha biyar a ciki sai mu samu namiji biyar dami dami ne ne kuke ba su wa'annan matasa mun yi farmason ta kai guda hudu ta farko muka yi ta bisa kan harkar sabuli wannan wanda wasu ke kiran shi da dan alje Eh, kuma muka zo muka yi hallo bisa kan sabili wannan sokilin kuma akwai entreprise haka irin wannan lokal wanda muke dan haɗa gwiwa da su samu a dan yi matasa bisa kan wani domin da entrepreneuria duka da wasu abubuwa da haka makamancin su kuma muka samu muka yi farmason bisa kan wani sabon da ake cin shi na ruwa sabon liquid wanda ake goge wani bitir karo duka wasu abubuwa dai haka irin wannan ba matasan da kuka ba horo maza da mata a kowane suke cin gishin kansu da kansu suka ji wato suka fara aiki nasu na kansu yawa duk wanda muka koya ma surtu ita wadda muka aikin da ita ita proje proje diya ne suka koya mata kuma har yau sai ta kai ga azumin azumi take a gida take abubuwanta to da na ga tana yi nima sai abin ya burge ni sai na janyo ta jikin mu sai muka ce abin da ka sani kar ka rike shi kai da. ko ya ma wani watakila shi zai dace za ka ce ma matasa masu zaman ba. E to ni yanzu jan hankalin da zan ma matasa, an ce matasa sai a ganin kamar matasan kaɗai akwai uwayen matasan ma. Saboda shi tun da tarbiyya take daga gida take wara kafin ta wuta waje. In ba a samu mai kyau ba to waje kuma hallo ita ma tana ba da wata tarbiyyar ta da ba. Kenan uwaye su jajirce akan ƴar su san suke yi. su san me ya kamata iyan su su yi damun su tsira tun da yanzu kan nuna cikin niger kashi kusan tasa'in duka matasa ne mai hamsin daga cikin su ba su da aikin yi ba ce ba lalle ne gwamnati za ta nemo muku aikin yi me ka koyi aiki karami na hannu na ƙasa. shi ma wanda yana da kyau in kun nura uwayenmu da muka taso ba dukkan su ne muka isko suna aikin gwamnati wani baban shi aikin katako yake wani baban shi dan gareji ne wani baban shi dai su dai yake duka gasu abubuwa to wannan uwayen namu da ce kahin karfin su ya kare sun janyo yansu sun sa a ciki yau da su suke da wannan aikin zuwa Ikwal yana hudda jahilci kuma na sa ka sama aikin mai ba lalle ne ba kuma a can za a ce za ka tsira dole sai an dan gama da wani aiki na ƙasa kina Allah shi kan yi daidai Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à la, euh, à la page sport et ça sera avec Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Et la Super League de football euh, du Niger se poursuit à Niamey comme à l'intérieur du pays. Quel est le classement provisoire à la fin de cette deuxième journée Oui, la deuxième journée s'est clôturée ce week-end au stade municipal de Niamey. Mais avant de vous donner le classement, je vous rappelle d'abord les résultats de la deuxième journée. Si nous faisons le récapitulatif des résultats, nous avons la victoire de l'AS Nigelec face à l'AS Police par le score de 1 but à 0. Akokana FC a perdu 0-1 face au Sahel Sporting Club. Urana a battu Douane de Niamey 1 but à 0. Jangorzo FC battu par la FAN 2 buts à 0. Idem pour euh, la jeunesse sportive de Tawa qui s'est inclinée à domicile face à l'AS Renaissance de but à 1. Ensuite, nous avons Liberté FC 2, Tagourou Provincial Club de Dosso 0, l'AS GNN 2, Espoir 0, enfin Olympique 1, US Gendarmerie Nationale 3. Alors, quel est le classement provisoire à la fin de cette deuxième journée la SFAN, la SN Nigelec et l'Irana Darlit se partagent la tête du classement avec 6 points chacun. En bas du tableau, l'on retrouve la Kokana Darlit, le Tagourou Provincial Club de Dosso, l'Espoir FC de Zender et le Jangorzo FC de Maradi avec 0 points chacun. La troisième journée débute demain 30 novembre avec deux matchs au programme. Tagourou Provincial Club de Dosso affronte Akokana Darlit à Dosso et l'AS Nigelec accueille l'Urana FC d'Arlit à Niamey. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Merci, Merci Soumana. Bye bye. <laughs> et maintenant, nous allons vous présenter Abdou Sufian Mahamman. C'est un ex-migrant qui se reconverti en coiffeur. Aujourd'hui, il a son propre salon de coiffure pour hommes dans les quartiers des d'Épité, un quartier périphérique de Niamey. Oumou Oumarou est allé à sa rencontre. kuma Allah da iko ne kuma ya ciro daga can yankin Shintabara dan sai ya kawo ne ya mai da ni zaka ne ya mai sai Allah ya taimake ni samu kuma haro ina da kuzari ina da karhin gwiwa wahala inda duk ma'aihinka ya koya ma ita tun kana yaro kenan da Allah ya bingije sa karhin ka ya kai kenan in ka tashi ta haya duk inda ka zo ba za ka wahala ba ni samu Allah ya taimake ni nan lokacin da ni sabko ya mai ban da kayan aiki sai Allah hada ni da wani ban Allah yana da shago biyu zuwa uku hakan ga sai ya ce mu wani tun da ka iya aiki yanzu ka zo akwai shagon da nake so in baka ya ce wanda za ka yi aiki ni ina zawa amma sai da ni ka shi kuma sai ni kama nan tare da shi ina ɗayi ina ɗayi kuma haro daga baya kuma haro sai ni ga Allah da iko ne gemu bai ɗauka gemu kara ka da ƙarhin ka kuma da kurciyarka da kuzarinka kenan kai gwagwarmaya ka ka samu naka na kanka shi ya mahara Allah ya taimake ni hito da ranfai salu jubbo sai ni komo nan cikin site da bite samu na bude shago na bayan na bude shago kuma ina nan zamane ina nan ina ta jiran mutane da ban samu ba har na gade abin da zai kure ni saboda a baga magidaci kina radda Allah bin ya yasa eh, ni samu jika ko jika da hamsin na tashi ga gida yana son wani abu ga ni ma ina son wani abu kuma haro ga shago yana son wani abu kuma can gidan haya na nake daga ba sai ni kai na lisahi ni ga abin nan kai bashi kai gara in kan mu jiki na cikin al'amari to shekara cikin tabi yake ciki ya mai kiga me ya ba kuzari da wannan aikin kwafar kana yin shi ina kasar libi wata rana ina zaune tare mu da mai gida na. ina aiki wata aiki watan da nake yi wato abin da aka biya na jine 350 ga wata aka biya na jine 350 kin ga kaga ina dan saye saye na haka da mureci umman taso ba cikin kuɗin aiki wata aka bana ba kenan a aini wurin aiki wata kenan ni hito dole ina sa abu wata rana muna zaune mu da balarabe hakan gara alhamis shikenan sai zai tiya garin sai ni ce mai towa ne yanzu abin da nake so gare ka ina son ka bani kuɗi ina son in sai tanda das in sai kujera irin wannan ta aski ni ce mai in sai kaya aski yace mi za kai ni ce mai koya aski zani ce mai saboda naga abubuwa su yi mi yawa ce mai yanzu wata ka hanshi mutu in kai lisayi akalla duk wata ina hidda kuɗin da sun ka kai shi ne ɗari ɗari da hamsin ce mai cikin masarufi kina ce abin da ya min saura shi ne mai tanna ce mai kaga abu ya mi yawa ina da iyalle gida kuma haro ga tsohi ce a baya mi yawa ya fidda kuɗi shi ne sittin ya bani ba ni sai tandas ni sai kayan aski kwamfile ni zaka gidan da muke abin da muke wajen mu ɗari biyu da hamsin cikin gidan da muke sannan ni zaka ne aza dama wani ne ke zuwa da wani waje shi a zakkuwa shi a cin kwantara nan wajen da muke dama har alamisa da rajim a ranar aka gamuwa da na daji da na kauye suka haɗuwa na inda muke saboda wurin mu ya zan kama babba wuri in kana da kuɗi kana sa kana ƙauye in ka zaka da su sai a tura ma sunan Nijar ruwan da ke so ka ba shikenan kawai sai bani kuɗin na zo na sai kujeru na zo na aza ni kwana biyu ina yi ran na uku ina yi ko da sati ya kama ina yi tabarkalla masha Allah Allah ya taimake ni dejan dama ko kahin ma in fara wannan aiki dama tun muna lega hakan ganan cikin ƙauye ta san akwai wannan aiki da muke yi na zo haka wasu da dama an ba ni ne musu askin na na sizo ba su kamar yasa nake gani wani lokaci ka rihe shagon ka inda kake aski kana yawo kana zuwa angonni nisa me yasa kake haka saboda nan unguwar da ni shigo kamar bako bako nake har yanzu saboda ya mai na yi ra'akari da wani abu guda ɗaya wato duk in ka shigo ta in baka yi hakuri ba har aka samu rezon ka ba to in ka ce zaman da kai nan zaman kurum har a samu rezon ka baka iya zama saboda wani abu zai girsiyo ka baka da kuɗi kenan wata rana sai ka kayi gudu amma yanzu ina lisayi nan cikin shagon ga yanzu akalla ko ba aiko mi na kai shekara guda har da wani abu cikin shagon ga da ni ga na yi wata uku zuwa hudu ni ga wato Allah da iko ne abin da nika samu bai wadatar san kuma haru ga haya ga komi da komi wani bi sai lokacin haya shi kama habashi min tsaye ga rawa kya ga babu inda zance a wurin ramci shine sai Allah ya bani wannan fasaha na tashi na bidaji da ni ta yarda ni ta na farko Allah da iko ne ya taimake ni abin da ni samu wajen katmil sankisan da ni dawo kuma haru ni zaka ni zamana da marici Allah ya marhama ni samu abin nan turwa mil na abin nan sai na hada ni ga akalla ko ban samu komi na kai kusan samun satmil ko bai gane ba shi an maharu wato da sahiya ta waye sai yi gudu in zo in dan sararrabo can in zaka kuma ka in zaka Allah da iko ne kuma haro sauran kiliyan kina wanda nika yi ma aiki saboda suna jin daɗi na aikin da nika yi musu kenan suna jiro na shi amma haro wato nika wannan guri yanzu menene matsalar da aka ka ban da wata dogo matsala zan ce miki dai yanda Allah ibingiji ya sa ni tashi daga nan cikin shagon ganin shiga kewayen ga da ina tunani da yawa har wanda wani lokaci sai ya sani kuka saboda can na yi zama rayuwa kuma daga baya na komo nan kuma na shiga cikin wannan hali kaga kenan Allah da iko ne kuma har dole na shiga tunani amma daga baya da Allah ya hauda na bisa wannan haya wadda nika yin gudun gayan ta in samu to sai na ga komi da komi ne alhamdulillah Allah ya ka sauki al'amari na haya daidai kenan wadda in na yi hankuri wata rana zan ji daɗi mene gurin ka to guri na dai ubangiji Allah sarki mai sarauta da ya taimake ni cikin wannan sana'a Allah ya arzikta ni a cikin kuma Allah ya ɗauka ni a cikinta ta kuma Allah ya sa duk wanda ya shigo ni mai shi ji daɗi saboda gobe Allah ya kai kuma ina fata Habiba Common, c'est le titre de la chanson que vous allez savourer à l'instant. C'est featuring Kaidan Gaskia avec Nazga Lesson et paru sur Internet en mars 2009. C'est parti. Come on, come on. Vamos ocho coma. Come on, come on. Let's get some party. Come on, come on. Dile que sache zona. Come on, come on. Tú no Come on, come on. Vamos ocho coma. Je suis là pour vont avec. Musique et danse, seul des vont avec. qui va avec. T'es la seule qui brille, qui me donne des envies. Sans toi ce soir, nous sera la partie. Si tu veux pas millions, je te donne mes millions Je ne suis pas d'humeur à pouvoir m'amuser. Avec tes millions, tu penses vraiment pouvoir m'acheter. Tes types comme toi pensent que s'ils sont brandés de billets se met à leurs pieds. Hors de ma vue, je veux que tu gardes tes distances. Je ne veux pas subir tes mauvaises influences. Comment come on, je ne saurais me livrer à tes avances insensées. Come on, come on, let's get somebody. Come on, come on, big is that you zone. Come on, come on, don't come here, Magani. Come on, come on, vamos, so chico. Come on, come on, let's get somebody. Come on, come on, big is that you Come on, come on, don't come here, Magani. Come on, come on, vamos, so chico. Dio, nemo to, nemo se, joyce, nemo to, nemo sexy lady, viens dans la party, bouge-moi ton party. Qu'est-ce que tu fais là, assise devant la solo On est venu pour danser et non pas pour penser. Hey, hey. Ce soir, tu es la plus belle, belle comme une gazelle. Make que top modèle, danse ou c'est dance world. Well, well, la vibe que tu kiffes, gal. Hey, hey, qu'on méga danton. Aïe que t'es champion, quand get no bonbon. Ni mon doka tonton, ton keke kando. Que maïs encore, aïe mon doka zankam. Hein, hein. Come on, come on, let's get some party. Come on, come on, Gilgizaki Zoli. Come on, come on, Dunika Kirmagani. Come on, come on, vamos Ochikoma. Come on, come on, let's get some party. Come on, come on, Gilgizaki Zoli. Come on, come on, Dunika Kirmagani. Come on, come on, vamos Ochikoma. Come on, c'est bon, la basse résonne. J'ai les mots qu'il faut pour te remettre d'aplomb monde se confond, il fait noir, c'est sombre, dans la boîte il fait chaud, yo, give me life, oh, spécialement pour toi, je viens du Sénégal, superstar by fall, please check your body gal, si ce rythme d'un sale, yo, j'kiffe ton style, amical et cordial, il ça qui sonne, hein. ring ding ding ding, bin bin me rend ding, feno castronas, gal sans qu'elle engas qui come again, du haut de la scène, que mon flow t'entraîne, brise toutes tes chaînes, yo, come come again, come on, come on, let's get some party, come on, come on, il ça qui sonne, come on, come on, monde. Pierre Magano. Come on, come on, vamos Ochicoma. Come on, come on, let's get some party. Come on, come on, que ele Gilgizaki Zona. Come on, come on, tudo que Pierre Magano. Come on, come on, vamos Ochicoma. Habiba, il est 11h passé de 48 minutes. Oui, Rekia, c'est l'heure du loti. Dans les lotis de ce mercredi, les femmes du studio Kalangu abordent le thème crucial de diversifier les sources de revenus au-delà du salaire mensuel afin de prévenir les difficultés financières. Cette conversation animée implique Samira Rouafi et Hawa Ousmane. Loti, <laughs> loti, loti, <laughs> wara iske ago maisi matin kani samai dai no fadima mata ga hamni goba ne alhamdulillah mata goyo aran gingar ba ne ba ni samai dai no walla ai ga milmu agan buwagan duka gingar ba ne me wala ah alhamdulillah to kai yesi a yesi man san ki ne son kala dai suru zamayya wallahi gingaro kan aka hmm. ai kurkan ga tunori kan gaisi kan da ka ba ai banando a kulu ai ni gingaro wose ni gisiro kan ni te ban ginga go hara kara maimu nima ma kan ki no ai ne ni se badal no sai sai son wo kulkan a kul pat ai ni kulwi gingaro alfarmara fadima ai man fa mai famandi ai ki ni se no ni ga te zangani sigma ai ne ni se badal sino kan ni ka zankai wani alkirkara ikulu e wana haikul sai sai na kan aigo noro kul kan ni gabai banando alhamdulillah akul koi <laughs> yadinga dai fanu wani bana dobo hinne no nugo ba wadin banda da soke fo kul kan nugo te kan kan din seno he memu ayo hay kurno sigite kan ka goyodin godin dai no ai gote inga mo da hando bu e mai bana hay kul kan nugo dai gote wallahi a kul baran dora dai na gofun aha son kun ne fam han kan seno hal hando ga bunu wani gijin gabuwa sai o kenan no kan ka kan ka banando nugo da haifo kan go katin ro o me ai so ke kaina fo kan ai gati ai ne buti ze feri window me zan kai ne ne gaise bai kan son lokaco kan ne nim kai ga banan di hinna batu lokaco din bisa wadin don sani nomi hai magom ne oho kenan nuwa so ni gwanda ba fata ki kan fo kan ni gogo so bai gati ir koi bere ayya walla noro kan gudu ai do inga dai ne gode fo manda ayo man taran ki ne banan do kan ai gogudu gudu ir koi dai marbar kan ga kan ni ka ay morade hay kulne sinigite soji kulne sinigite ribaran dodin zaman woro asuwa sai sai mai ni se bor da nogo bo bukata dinga banum so musu kezi kai fute to ai ni di son zamanu nor no ni gudu ga nim so kezi fo kan ni gisi ba hay no ni gidi ga hawa ga gisi kan kan din no ga bisi ni nim nim so ka gona hey ni gimfa ai di nik diwa kun wai bore din haifuwan goyi sai kunsum kunsum yelle da yara bankare yande zangata am kai ne kai ne he afo nik di ba zirige iga da lede rakate gso be gnir goyedo oho wiza kinu haya gote da o me son woy bore gwani ceci kwai ni gwanda dubara bobo kan yigite kwai ni haya ga bore hey memo wallahi sabu nisi ay gi sabun ya yamare yo kan na taisi insha Allah ay za sun ay ga sintin gila sabu hal ifo ne ga sintin ginere to madalla wadin dai no bori ni di wadin ganan bo hal hando gubo ni gudu haifo kan ni gisi nim dogin da te nim boryan mo muradu feri koi ne ni gikim wallahi ni gikim won dai ne kaga sintin ai mo kai gidi ai sintin hawa hawaran se tonkuyen ta farnoyen da yazi yazi yaziyen aran ga dai me wala <laughs> irga dai problem sara to ai ga zabu ni se mai mu irko dai mu diri se wallahi mo ga sintin ga hawa hawa kai ne kai ne gidi irko dai mu diri se amina amin. Nous sommes en compagnie de Moussa Hassan pour la culture linguistique en français à Anjarma. Bonjour Moussa. Bonjour Rekia, bonjour Habiba. Bonjour Moussa. Pour rappel, Moussa est le responsable du desk Zarma à la rédaction. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur euh, le mot monnaie. Le mot monnaie que nous allons un peu décortiquer, c'est la monnaie. C'est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement y a une valeur acceptée par tous. La monnaie est aussi une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services proposés à la clientèle. Donc euh, cette monnaie se présente sous plusieurs formes, notamment la monnaie métallique, c'est-à-dire les pièces. Mhm. Il y a la monnaie en papier, qui sont les billets, et les écritures comptables, qui sont entre autres les chèques, les virements et les cartes bancaires. Il faut aussi noter que dans le passé profond, au temps de nos aïeux, les coquilles, comme le courri, servaient de moyen de paiement. Donc, euh, ceux qui sont en possession sont, vraiment euh, les riches de ce temps. Mhm. Ils sont puissants, ils, sont, ils ont la prospérité. Et je profite pour dire que dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, il y a huit monnaies qui circulent. Mais dans la zone Ioumoa, qui est constituée du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, mhm. c'est le franc CFA, qui est la monnaie commune communautaire. Mhm. Une monnaie qui a une parité avec euh, l'euro et un euro équivaut à 655,95 francs CFA. Donc, euh, pour reprendre tout cela en germain, euh, nous avons noru kan daimi dai da naira rano iga na fanda mantikal hazano kan a gwanda inga kan ba darza kan ga burakul yadda iwafu kabo mhm. noru guwo mu harno kan iga haze haye goran dinda ngano iga la sabu kadi haiki gidan haza sai wala goy kan nigite marji bonno ni gati no mhm. redin dum dum yanno guru wona gono sanda kan sergine zoto mhm. takarda wana gono ngumo kasir gidon gane biye da takarda bon noru kan yan igate sanda o kan sai gane shek da nore samba cerse yango bankaira matkancin igate da da fondicin dora irga fangon dimo kan don don kai kai wate norize nga no bore igi goyda o kan nigdi zi mai wala wedi nga karyante dadin kiga kiga gindaw nga no bore ga nafanda kinga ide de nere teda yani ga wati din kin bankan gonda ibobo aran gati wati di arzakanta aran no gabi ko ne kan yanga salan imama mhm. ila afrika wen kan awara no redin dumdume kan yango guwin me chino boy sikalin ga bor hakku amma sataka sigine imora awane labai kan gati burkina burkina faso benin cote d'ivoire guinée bissau mali niger senegal da togo yarawo sefa noro no irkul go goita mhm. sefa noro mo asi dunga darza kala ero ga naga jeri kudu nga gabo nga kande ero fo kul sutun kala sefa zangundo da waransu fo da kaina mhm. Thomas de la Irsabou Moussa. Fidèle auditeur, si vous avez d'autres mots ou expressions euh, dont vous souhaiteriez avoir l'explication en français, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos messages vocaux ou écrits au 80 de 89 89 64. Pour boucler cette émission, je vous propose les messages de quelques-uns de nos auditeurs. aino Rim hassan ay mantikal sai furta studio Kalango hangan ko mono ayo studio Kalango wani emission ay e, o hangan ngalo gati igina tous la fada ihin kan information ay e, ka igno jeune bon parce que yo emission hin kadin ngeno intéressé gomo donc euh, tout ça à la fada wo bon agonda na fubban bata irwa go kan dirse bar mayan bir parce que émission wa matkai igate da jeune wana défi i wana problème wo kan go gi dorandi wana inquiétude abon ah no boreg fakare donc aussi to ni gonda hiniga fakare borse borgura hanganni hinga katare ni gundo na katare niki zano dimi ni libéré no kaina in kanta isko qui gagne bon c'est y partager no pour que y ait un problème ou résoudre Et mo ko ka en urgence e mo kaga jeune won problème wo ki ngene résoudre et me résoudre quoi. en même temps go kan c'est bon faire quoi parce que tu as fait que tu fada bon peut-être bora cool problème e menta lanka mais à travers l'émission là chacun de son côté il dit c'est que le jeune ah, à kan go ga dorandi jeune cool kan go participer émission go à ago kan dit c'est ne faut bambata par le simple fait que igo l'homme problème be ngande chara gaxene ki ngite cher se igo kanda quoi maintenant eh, par rapport à, à l'information des jeunes là ago ira émission information de jeunes qui gite agonda portrait de jeunes ka gite portrait de jeunes danga mantikala jeune no iga sambu un jeune exemplaire par exemple borkan go go en même temps si ke cho hinna Niger lokolizo lokolo hinna nakke le kolo banda sin go kulka gen gati dina e ko lay dabu le plus souvent irgo fada burgo parce que irman kam go kul dondo donc jeune yango y ya des rares jeunes kan ngewo malgré igoti école bon gré ne gen igoti école ils ont encore leur petite entreprise afin que chez un confectionné afin que ngi atelier de coiffure afin que chef chapienté afin que soudure soudurienté donc jeune idin dumono studio Kalungu ga sambu parce que jeune exemplaire no en même temps école le borazo mo ko na gonin kan bogo ka goga ti ir ko mitale ga ba école marro sur boraga ka wallahi kan bogo go ngi se kan ngi gene ngi wara ko wodo mono igu koyi mi diye im fakare de maintenant fakara kai ite din iga partager bore se ir mo ir di sam comme exemple donc je pense que ne faut cool sino quand to wone quoi parce que amantikal mo feriano kan kan igo kan bore se d'abord studio kalangu igo ko kargumo aiwa isabe mu bone gito diga à travers émission vraiment ago kan der se bon fere ago kan der se moy fere maintenant gazen wosiga irin eh, er musambu des information de euh, des jeunes, information qui était jeune et de mo danga portrait du jeune aucun a expliquer ce sonda quelle initiative handano mais maintenant ke fon iga sala isporo bon igirno par exemple euh, au niveau national niger woni isporo par exemple sur le football igirno mais information igo gazana quoi parce que ir aussi ba am seulement au niveau national mais irga ba am au niveau mondial en quelque sorte donc on a les jeunes nigériens ngene kulka igo malgré que irgo nongo irga football euh, européen de football international irgi suivre gumbu bumbo ga bisa niger quoi voilà, ici prend fin le Niger sur Kalangou de ce mercredi 29 novembre 2023. Vous étiez avec Rakia Arimi et Habiba Hamed. La technique était assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition, c'était nos chefs d'édition Adama Dawaki et Soumana. Rendez-vous à 17h pour le journaux en français et en langue nationale. Passez une excellente journée. Excellente journée.